chers euh, auditeurs et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires de Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre numéro de Forum de la presse de ce soir. Le rendez-vous de décryptage des faits saillants et en marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères de la presse ici à Niamey. Et au menu de ce forum de la presse euh, pour ce soir. Nous parlerons d'abord euh, du retour euh, progressif au Belkaï des pèlerins nigériens du Hajj en Arabie saoudite par vol charter. Ensuite, nous analyserons les résultats globaux définitifs de la session 2022 du brevet d'études du premier cycle BPC. Le taux de réussite pour cette euh, année 2022 au BPC e est de 27,18%. Le forum de la presse de ce soir va aussi s'intéresser à la demande de pardon de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Campaoré. Enfin, nous terminerons avec cette euh, tournée du président français Emmanuel Macron sur le continent africain. Cette visite euh, concerne trois pays, à savoir euh, le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Husseini Issa, journaliste indépendant, et Maimouna Yadou, journaliste indépendante également, à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji. Débutant le forum de la presse euh, de ce soir par le retour au pays des pèlerins nigériens du Hajj euh, qui se poursuit après l'arrivée du premier vol charter euh, le vendredi 22 juillet dernier. Les rotations sont programmées du 21 au 2 août 2022, précise le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra Koro Ousmane Sidoukou, ces pèlerins qui reviennent sont-ils contents de l'organisation du Hajj 2022 euh, Contents, euh, peut-être que la question, ou bien disons la réponse, euh, eux seuls pourront vous dire cela, mais à l'épreuve des faits, nous remarquons quand même les impairs ayant caractérisé le départ de ces pèlerins, les choses semblent s'améliorer. Et peut-être euh, l'on tendrait vers euh, d'ici demain vers le septième vol, puisque le sixième, euh, est arrivé ce, jeudi. là. Mhm. Donc, c'est dire que peut-être qu'ils ont eu à prendre en compte les ratés du mhm. départ pour que cela ne se reproduise plus au retour l'un dans l'autre. Moi, je pense que après le retour euh, définitif, c'est-à-dire de tous les pèlerins au Bercail, mhm. il faudrait véritablement que euh, l'on crée le cadre parce que euh, ça n'est de trop qu'à chaque départ, ce sont les mêmes impairs, les mêmes travers ayant caractérisé. Donc pourquoi ne pas créer le cadre pour que ces pèlerins-là qui ont déboursé ne puissent plus revivre le calvaire auquel ils ont l'habitude de faire euh, face. Comme je l'ai dit, au retour. Notamment l'attente euh, dans la période euh, d'acheminement. Bon, justement, effectivement, prendre en compte mhm. aussi bien l'aller que le retour. C'est mhm. pas parce que jusqu'à preuve de contraire, le retour est en train de se faire euh, mhm. sans trop de problèmes qu'il ne faille pas reposer le débat quant à l'organisation, puisque à l'épreuve des faits, la création de la structure COHO est loin de résoudre le problème. Donc, il faudrait créer le cadre, euh, impliquer les acteurs, les, la, primature, le ministère de l'Intérieur, euh, les agences. Il faudrait vraiment qu'on crée le cadre pour mm. qu'on définisse de façon claire et nette vraiment la démarche. Parce que il vous souviendra qu'il y a des gens qui n'ont pas euh, pu effectuer mm-hmm. ce, pilier de l'islam. Et ce n'est pas de leur faute. Voyez-vous, ça c'est le chiffre officiel. Hein. Voilà, ça, c'est... Euh, du 8 juillet dernier. Tout à fait. Donc vraiment. Et selon, il faut dire que selon le communiqué, c'est dû euh, à des manquements au niveau de l'avionneur euh, qui n'a pas respecté Mais est-ce que c'est là qui n'ont pas pu... Donc, en quoi, c'est-à-dire les manquements de l'avionneur euh, auraient pu impacter leur non, non, non, le fait qu'ils ne se soient pas allés Ils ont payé le, le, prix fort. Mm. Or, moi, je pense que c'est là où j'insiste, et j'insiste vraiment là-dessus, il faut que les conditions soient créées mm. pour que les choses soient revues et afin que nous n'assistions plus à ce à quoi nous avons l'habitude d'assister malgré la, la création de la structure qui, apparemment, euh, les choses semblent euh, euh, la dépasser. Mhm. Merci beaucoup, Ousmane Sidoukou. ça? ce retour se déroule-t-il bien Il y en a qui sont même mal partis. Mhm. Pour parler de retour d'abord, quand quelqu'un est parti dans la mhm. précipitation, il n'a pas pu accomplir comme ça de CDV tous ces rites-là. Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un sort ici, s'assoit directement, dit on est en train de créer les conditions pour qu'ils reviennent dans les normes. créons les conditions pour qu'ils aillent à temps mhm. dans les normes pour pouvoir accomplir le rite. Mhm. Pas maintenant, ça, dit, on, est en train de créer les conditions pour qu'on perde de vue ce qui s'est passé mhm. en amont. C'est en aval, on dit, ah, ils sont en train d'arriver. Il y en a qui sont allés qui sont partis. Mais véritablement, ils n'ont pas pu accomplir comme ça se doit le Hajj. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est un non-événement. Hmm. Le Coran qui sort pour dire voilà le calendrier, tout ça, c'est faux. Ils ont établi le truc. Il fallait s'y attendre. Ça fait des années qu'on assiste à ce genre de choses. Hmm. Parce que tout simplement, on ne fait pas un appel à concurrence, appel d'offres à concurrence par rapport à l'avionneur. Hmm. On a désigné un avionneur qui est là celui d'avance, systématiquement, c'est à lui qu'on accorde. Alors qu'on peut trouver des avionneurs, comme le font les autres pays voisins, mhm. qui sont capables, qui ont des flottes qui peuvent acheminer les gens dans les délais légaux. C'est dû à quoi puisque C'est dû à la ah, politique. alors, c'est dû à quoi C'est dû à la politique. Parce que tout simplement, on dit non, mais c'est beaucoup d'argent. Ah, lui, le monsieur, bon, qui est là, qui est représentant de la compagnie, dont je n'ai pas mhm. besoin de citer le nom, on va lui donner le marché on est dans cette situation-là. Mais alors, vous voulez quoi Que ça change hum. si on doit maintenir cette situation, eux-mêmes, ils sont sortis pour reconnaître que l'avionnat n'a pas été correct. Mais l'année prochaine, certainement, le même avionnat va venir influencer politiquement. On va encore lui donner le transport des, des, pèlerins. Hum. Alors, on ne tire pas les leçons de ce qu'on a vécu cette année on va, pour améliorer, pour se dire non, on va chercher un avionneur sérieux qui a beaucoup de Boeing, de gros porteurs qui peuvent acheminer les pèlerins dans les délais requis. Hmm. On ne triche pas même avec Dieu, on veut tricher. Est-ce que c'est normal ça Merci beaucoup, Hussein Maïmouni Gado, c'est vrai, Hussein a expliqué qu'il y a eu des retards, euh, c'est vrai, mais cela en tout cas les pèlerins qu'on a entendus euh, de leur retour euh, intersainte de l'islam, ils ont eu à accomplir quand même les périodes importantes, c'est-à-dire le Harfa le Mousdalifa, l'étape de Mina et toutes les autres étapes importantes. Et après, il y a eu, on a l'impression en tout cas, des visites au niveau des monuments historiques, certains rattrapages on peut dire, par rapport à tout ça l'analyse analyse globale vous vous faites euh, Si vous demandez le pèlerin qui avait quitté l'avant-veille, la veille même, la veille même, eh, est-ce qu'il va vous répondre la même chose que celui qui était là-bas mhm. pendant, durant deux semaines ou trois semaines, qui a eu le temps de visiter les, mosquées et mhm. autres. Les cimetières. les cimetières et tout. Mhm. Mais maintenant, qu'on dise qu'il y a certains, on a créé les conditions pour rattraper les visites qu'ils n'ont pas pu faire, moi, je me dis que quand on va à la Mecque, il faut s'assurer que on va, c'est vraiment pour mhm. être proche de Dieu. Mhm. Ce n'est pas après les rites qu'il faut créer les conditions pour que ces gens-là puissent encore aller sur le terrain. C'est vrai, parce que pour certains, c'est un moment intense de recueillement. Voilà. Où on prépare. Euh, puisque quand tu es avec la mhm. foule, quand tu es avec la foule, ça te donne le courage, mhm. ça te permet de te concentrer, mhm. ça te permet de dire que voilà, je suis vraiment dans l'espace où je dois faire mon recueillement. Mhm. Mais quand après tout ça, les rites là, hmm. on revient, on dit, on crée les conditions pour que ceux qui n'ont pas pu faire les rites puissent aller au moins regarder. Ça, c'est une visite. Alors que le Hajj a proprement dit. C'est une visite. Hmm, hmm. Et moi, je ne comprends pas. Parce que j'ai vu dans le communiqué du Coho, on dit non, l'avionneur, euh, euh maintenant, euh, il décide que euh, le retour des pèlerins va s'effectuer dans les normes. Mais pourquoi, à l'aller, il n'a pas pris ces mesures-là pour que tous les pèlerins soient acheminés à, euh, euh, euh, temps. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette date du 2 août Mais ils vont les faire ramener. Ils, vont les, faire ramener. Quand vous parlez, vous parlez aussi avec un pays. Le retour des Nigériens doit se faire entre l'espace euh, le 21 et le 2 août, c'est ça mm, Mais sur les visas, parfois, il y a des marges pour que justement, on ne puisse pas euh, dépasser le temps permis. Mais moi, je suis mm-hmm. sûre que ils qu'ils vont les faire ramener parce que mm-hmm. ça, c'est le retour. Mm-hmm. Ça pose pas problème. Mais c'est à l'aller que ça pose problème. D'autant plus que, faut que D'autant plus qu'il n'y a pas de prison sur l'avionnaire maintenant. <laughs> il, a pris son argent. Il, il va aller les chercher. c'est ça. Moi, je ne joue pas les oiseaux de mauvais augure, mais toujours est-il qu'il faudrait que, il faudrait que les gens soient regardés. Parce que, <laughs> euh, l'a dit, il n'y a pas de pression. Et ah, antérieurement, les Nigériens, juste après l'accomplissement du Hajj, beaucoup erraient. Hein à travers les rues, là, mm. certains à la limite mm. qui demandaient même parce qu'ils ont épuisé leurs ressources, mm. l'avionneur les a laissés à leur propre sort. Donc le fait de revenir, euh, vraiment, c'est coûteux le temps de se prendre à chaque voyez-vous. Donc ils ont passé plusieurs jours. Plusieurs jours, donc du coup, euh, euh, même, là-bas, donc beaucoup, beaucoup mm-hmm. ont erré à travers les, les, rues. Mm-hmm. Donc ils sont livrés à eux-mêmes, prions que vraiment qu'ils ne subissent pas ce sort-là et puis qu'ils mm-hmm. se puissent regagner le bercail à temps pour ne pas vraiment revivre le caverne qu'ils ont l'habitude de après l'accomplissement du Hajj. Merci beaucoup. Ce que vous souhaitez tous les trois, c'est donc un souhait pour que les prochaines éditions euh, puissent enregistrer des améliorations en termes d'organisation. Merci beaucoup. Nous passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Il s'agit de la proclamation des résultats globaux définitifs de la session 2022 du brevet d'études du premier cycle BEPC e 27,18%. C'est le taux global national de réussite enregistré au Niger cette année. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'a annoncé mardi dans un point de presse après une communication faite en Conseil des ministres. Hussein Issa, que l'analyse vous suscite euh, ces chiffres issus des résultats du BPC session 2022 On ne peut pas considérer que les combien de pourcents, presque 60 et quelques pourcents, sont, ils vont devenir quoi Ce n'est pas un test de recrutement à la fonction publique ou machin. L'idéal, c'est de créer les conditions pour que le maximum puisse admettre. Ceux qui ne sont pas admis, ceux dont les parents ont un peu, de ressources, ils vont reprendre certainement dans les écoles privées. Ça va faire une, massification. Et ainsi de suite. Moi pour moi. Ils doivent se remettre en cause. Ils doivent remettre en cause. On doit s'asseoir pour dire qu'est-ce qui ne va pas à l'école. C'est bien beau. Parce que normalement, quand le système est performant, un système performant, c'est en fonction du taux. Quand le système n'est pas performant, quand j'ai vu des réactions sur opinion plurielle. Quand le ministre a fait son point, où des gens sont sortis pour dire, même dans les épreuves, il y a des fautes, il y a des erreurs. Les épreuves qu'on a, euh, qui ont été soumises, même les épreuves, il y a des imperfections dans les épreuves. Ça veut dire que ceux qui ont soumis ces épreuves-là, ils doivent être sanctionnés. Mhm. Ils doivent être sanctionnés. Parce que tout simplement, on ne peut pas comprendre que quelqu'un. Parce que tout simplement, on a fait de l'école aussi un fonds de commerce. Même par rapport à la soumission des épreuves, c'est des gens peut-être qui n'ont jamais enseigné, qui ne sont pas sur le terrain, c'est eux qui se mettent dans la posture pour pouvoir. Mais on va caler, on va montrer, on va, caler les enfants. Mais pour gagner quoi C'est ça la finalité de l'école. C'est pas ça la finalité de l'école. Si. Mais on va caler les enfants, ça veut dire pour vous, c'est à dessein. Euh, mais quel fait mais quand on dit, quand selon certains observateurs, c'est que les élèves n'ont pas le, niveau requis. Non, quand l'enseignant même est incompétent pour faire un sujet, une épreuve correcte et tout et tout, lui-même l'enseignant, ça veut dire l'enseignant même est défaillant. Mhm. Mais alors, pourquoi on va juger l'enfant parce qu'il n'étudie pas D'abord, il faut juger l'enseignant. Mhm ou celui qui a proposé le sujet là. Mais ça n'a pas été le cas. Le ministre est venu tranquillement, il a décliné les chiffres, les statistiques et tout et tout. Il s'est levé tranquillement. Voilà ce qu'on a. Ah, il va faire ça avec le bac. Et puis les gens sont contents. Parce qu'on a associé, on, a un bac propre. Mais maintenant, tous ces déchets là, tous ces qu'on a là, les rejets là, ils vont devenir quoi Merci beaucoup. Alors, donc on a un système, euh, en tout cas, qui est analysé dans sa globalité à travers euh, votre intervention, Husseinissa. Il y a des disparités quand même qui ont été ah, notées à ce niveau. Il faut rappeler que euh, la région de Niamey, par exemple, la région de Niamey, non, a enregistré La région de Niamey, il y a combien de bibliothèques mais même la région de Niamey, le taux a tellement baissé depuis plus d'année en année, ça a baissé. Mhm. Il y a plus, tout est concentré à Niamey, tu as des livres et tout et tout. Mais la dotation en bibliothèque et tout et tout. Mhm. Mais voir un peu comment ça se passe. Mais dans les autres régions, moi je ne fais pas de comparaison comme ça. Mhm. Dans les autres régions, les gens n'ont pas accès aux livres. Les mhm. gens aux facilités comme ceux-là qui sont à Niamey ou qui ont accès à l'Internet. Qui Mais bon, l'Internet là, ils font autre chose avec. Moi, je Il faut donc rappeler ces disparités. Justement, donc, Niamey par exemple a enregistré 36,07% alors que Tawa n'a eu que 22,17% selon le ministre de l'Éducation nationale par ailleurs, sur un total de 68 230 filles ayant composé à cette session 2022 du BPC, 16 471 ont été déclarées admises, soit un taux de réussite de 24,14% contre 30,03% pour les garçons. Mais Mounigado, qu'est-ce qui peut expliquer ces différentes euh, disparités mais les différentes disparités, Hussein a commencé à les noter. Mhm. Parce que quand on prend la région de Niamey, tout est focalisé ici à Niamey. Il n'y a pas à prendre euh, des livres, des cahiers pour les transporter pour aller dans une, une, une, région. Et quand on regarde aussi la région de Tawa, il y a une partie de la région de Tawa aujourd'hui qui est en proie également à l'insécurité. Donc il y a tout ce phénomène qui est là. L'enfant qui se trouve dans la brousse de l'autre côté n'a pas accès également aux livres, aux documents lui, euh, lui permettant euh, de, bien composer. Mhm. Il y a également euh, cette situation aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mhm. Mm, il y a ceux qui font des recherches sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Mais aujourd'hui, est-ce que le pauvre qui est à plus de 800 km ici de Niamey a accès à ça. <coughs> Il y a tout, c'est bien normal qu'aujourd'hui on parle de taux de réussite de 33 ou je ne sais pas combien, 36 pour Non, pour la région, pour, la, région de Niamey. pour la région de Niamey. Mhm. Et aujourd'hui, quand on regarde aussi, on parle de 60 et quelques mille euh, candidats pour les filles mhm. et 16 000 sont admis par rapport aux filles, justement, cette euh, disparité, il faut dire qu'il y a eu 24,14% de réussite le euh, pour les filles au plan national et 30,03%. Mais c'est bien normal. Mhm. Qu'il y ait plus euh, de garçons qui admettent. Mais, mais oui, parce que jusqu'à présent, on n'a pas fini avec le mariage précoce. Mhm. On n'a pas fini avec euh, l'insécurité. Mhm. On n'a pas fini parce que ça fait 5 ans déjà que des écoles sont fermées. Ça veut dire que là, il y a même la possibilité, il n'y a même pas eu la possibilité pour ces filles, d'autres filles, de se présenter. Il y a plus de facteurs qui affectent les filles que les mm-hmm. garçons. Mm-hmm. Et aujourd'hui, quand je regarde le plan national, 27,18%. Mm-hmm. Et le ministre dit qu'il est satisfait parce que ça a dépassé, le taux a dépassé l'année passée. En fait, c'est que c'est comparativement à l'année passée, puisque c'était 20,50% l'année passée. De toutes les mille manières, ça veut dire qu'il y a une petite amélioration. Nous dans les 20, mhm. de toutes les manières. Et 27%, ça veut dire en moyenne euh, un candidat sur quatre, un peu plus, en tout cas moins de deux. Mhm. Donc, moi, ce que je voudrais dire sur les 27% là, mhm. quand on regarde, peut-être c'est les 7% qui ont le niveau, le niveau requis pour aller aujourd'hui au lycée. Les 20% là, moi je suis sûr que quand on regarde, mhm. il y a plus de répéchés. Il faut dire justement, il a expliqué cela, environ 10% seulement des admis ont obtenu leur BPC à partir du premier groupe. Ça veut dire que c'est eux qui ont pu avoir les 10 sur 20. ça veut dire que les, autres, c'est les 9, les 8, les, 7 repêchés et autres. Mais mhm. les 20% là, quand ils vont aller, le premier jour où ils vont aller au lycée là, mhm. Ça veut dire qu'ils vont retourner l'année prochaine. Là. <laughs> On souhaite non, pas. Non, non, parce que le niveau n'est pas là. Mhm. le, niveau, le niveau, n'est pas là. Mhm. Les 27% là, je suis sûr que dans les 27%, l'année prochaine là, quand on va recenser les 27% là, il n'y aura pas de 27% mhm. qui vont tenir au lycée. Merci beaucoup, Maïmoun Diado. Ousmane Sidoukou, pour tourner cette page, euh, une autre remarque faite euh, par le ministre, c'est que le taux de réussite est beaucoup plus important au niveau des écoles euh, privées qu'au niveau des écoles publiques. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors pour améliorer ces résultats à tous les niveaux pour les prochaines années Naturellement, le privé va se tailler la, part belle, mhm. parce que le privé, mais je suppose, hein, les enseignants, dans les conditions, il n'y a pas de mouvement de grève, donc jusqu'à preuve, ils ne sont pas, ils sont pas aussi en proie à l'insécurité. L'un dans l'autre, moi, je pense que cette comparaison euh, n'aurait dû pas être faite parce que euh, l'État, a, dit-on, le monopole. Donc l'État se doit de créer les conditions pour mettre les enseignants, les élèves dans les conditions, en tout cas, mhm. euh, pour bien étudier. Donc ces résultats sont assez révélateurs euh, de, de, de l'agonie dans laquelle végète euh, notre système éducatif. Moi, je pense qu'il faut, revoir, euh, les, il faut revoir les choses. Les conditions se doivent d'être créées, la copie se doit d'être revue mhm. par tous les acteurs de l'école. sinon, on ne ferait qu'assister, même si on me dit que ça a augmenté, on va toujours rester dans cette marge de 20% là, et ce qui n'est pas de nature vraiment à nourrir notre système éducatif. Donc, il faudrait que l'on crée les conditions pour la sortir des sentiers battus et mhm. la remettre sur les bons surtout que euh, l'éducation semble être si chère euh, au tenant actuel euh, du pouvoir, dont le mhm. président de la République. l'éducation occupe vraiment une place de choix dans son programme. Donc vraiment, il se doit de créer les conditions pour que l'école continue de puisse retrouver, disons, celle de noblesse. de Merci beaucoup. je vais l'ajouter, parce qu'il ne l'a pas dit. Quand il dit, ah, c'est les écoles privées, mais aujourd'hui, quand on fait le rapport les gens sortent leurs enfants du public pour, l'amener, pour les amener dans le privé. Hmm. Pourquoi Parce que le dysfonctionnement au niveau de l'école publique fait qu'il y a une désaffection de plus en plus. Quiconque a un peu de moyens, c'est pour ça la prolifération des écoles. À l'époque, les gens n'allaient pas dans le privé. Les meilleurs étaient dans les écoles publiques. Mais qu'on crée les conditions pour que le hmm. système public puisse fonctionner normalement. Hmm. C'est bien beau de venir s'asseoir pour dire non. Non. L'école, c'est un bloc c'est un tout, c'est un ensemble. Merci beaucoup. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, qui doivent montrer l'exemple pour que l'école publique nigérienne mm. marche, ils ont des actions. Ce n'est pas seulement les enfants, des actions dans les écoles privées. Mm. Donc ça veut dire quoi moi, je me dis que. C'était un avait avant d'être ministre, donc on peut supposer que. Mais, c'est mm. parce que là-bas, on trouve <laughs> la personne trouve son compte. Mm-hmm. Est-ce que dans l'école publique, tu trouves ton compte mm. Tu trouves pas ton compte. mais avant, avant le système, avant le système que nous nous avons connu, tous les ministres, tous les conseillers, tout le monde a ses enfants au niveau du public. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y en a Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui leur empêche alors euh, de faire cela ça les empêche de faire cela, de, de, la qualité de l'enseignement. Toi, toi, toi, non. Toi qui comprends, tu connais déjà comment est-ce qu'un enseignant, aujourd'hui, tu payes ton enseignant à combien et tu veux la qualité Il n'y aura pas la qualité. Hmm. Aujourd'hui, même la vendeuse, je te dis, la vendeuse de Titienne, là, quand tu la vois en train de vendre le matin jusqu'au soir, c'est parce qu'elle cherche de quoi aller payer pour son enfant dans, euh, dans une école privée c'est parce que tout simplement, elle a compris qu'il n'y a pas la qualité. Ça veut dire que population population de confiance en euh, à ceux qui concerne la c'est bien normal. de l'école. C'est bien euh, normal. Moi, je paie, je l'inscription de mon enfant mm. à plus de combien de coûts De centaines de, de, euh, mm. Et que je ne puisse pas avoir de résultats à la fin. Non, mais ça ne peut pas se Merci beaucoup. Il faut noter cependant qu'il y a eu des écoles publiques qui ont enregistré des taux de réussite euh, relativement importants. Ah, pas beaucoup d'écoles, <laughs> justement. Je voudrais quand même ne pas citer de nom, puisque c'est au ministère euh, de le faire. Merci beaucoup. Donc, on vous a bien compris. Il faut donc euh, des actions concrètes pour euh, sauver cette école nigérienne. Un autre fait ayant marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève, mais cette fois-ci hors de nos frontières, c'est la demande de pardon de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, condamné par contumace à, perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a demandé mardi pardon à la famille de ce dernier, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ces 27 années au pouvoir. Cette euh, demande de pardon est diversement appréciée au Burkina Faso et divise l'opinion selon Paul Meki Rwamba, édito-réaliste et directeur général d'Omega Media à Ouagadougou. Il est joint au téléphone par Mokta Hamadou. Elle divise d'ailleurs l'opinion en deux camps. Le premier camp, c'est ceux qui sont favorables à cette demande de pardon, qui l'ont même déjà accepté à travers donc euh, des micro-trottoirs que les médias burkinabés ont réalisés, à travers aussi les réactions sur les réseaux sociaux. Et ils expliquent cela par le fait que c'était le maillon manquant de cette chaîne de réconciliation. Mais il y a de l'autre côté, c'est burkinabés également qui constituent une certaine opinion publique. Ils posent donc un problème de forme. Beaucoup estiment que si le pardon était sincère, il devrait sortir de la bouche euh, de Blaise Compaoré, qui d'ailleurs, selon certains, a manqué l'occasion quand il était à Ouagadougou il y a quelques semaines euh, de prononcer effectivement cette demande de pardon directement au Burkinabé et à la famille du président Thomas Sankara. Donc la suite pourra être effectivement une grâce présidentielle qui pourrait être prononcée par l'actuel chef de l'État. Mais on attend de voir parce que il est important de rappeler et d'insister sur le fait que cette demande de pardon n'annule pas aucunement la procédure judiciaire qui est engagée contre lui et qui suit son cours normal. Ousmane Sidoukou cette euh, demande de pardon de l'ancien chef euh, d'État burkinabé Blaise Campaoré. Peut-on dire euh, que la demande a un écho favorable du côté du gouvernement du Burkina Faso la part belle a été ratée à travers sa venue à Ouagadougou. Moi, je pense que s'il l'avait demandé de vive voix, ça aurait peut-être susciter ou bien il y aurait un gain de sympathie du peuple burkinabé. Hmm. Mais euh, venir au Burkina, à Ouagadougou, repartir et pour beaucoup demander ce pardon à travers euh, ce qu'ils ont qualifié <laughs> de papier laconique. Moi, je pense que peut-être que le coach a été raté par euh, l'ancien président, tout comme son entourage. Il a été, euh, donc visite à C'était le 7 avril et le message même en question a été directement adressé au chef euh, d'État. Donc, ah, euh, justement, c'est pourquoi je dis le pardon serait. vraiment. Est-ce que quelle appréciation on peut dire que la démarche en soi, elle. Le président actuel euh, du Faso fait de cette demande de pardon. Bon, vous savez, et moi je pense que les Burkinabés, c'est-à-dire que malgré la vingtaine d'années de son magistère, les défis actuels auxquels en tout cas fait face le Burkina, notamment le défi sécuritaire, vraiment euh, impose aux Burkinabés de vraiment faire chorus derrière leur autorité mhm. pour essayer en tout cas de juguler, cette crise sécuritaire. Mhm. Moi, je pense que l'air est beaucoup plus aux enjeux sécuritaires qui se doivent d'être vraiment revus par euh, tous les Burkinabés. Ils ont intérêt à regarder dans la même direction. Mhm. Euh... Mais c'est ce que Blaise dit, on a l'impression, puisqu'il appelle à une union, union sacrée, d'accord, mais qu'il faut mettre en avant les intérêts ouais, du ça, pays. C'est, justement, ça c'est ce qu'il a argué. Dit, le ça aurait plus d'impact. La retenue. Ça aurait dû être sincère, ça aurait dû être impactant s'il l'avait fait quand il était venu à Ouaga. Mhm notamment dans la dynamique des autorités de la transition, de concerter les anciens présidents de la République. Mhm. L'un dans l'autre, moi je dis qu'en ce moment, les Burkinabés vraiment ont beaucoup plus à faire. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur sa demande de pardon. Vraiment, moi je pense que les enjeux sécuritaires exigent une union sacrée. Maintenant, la démarche elle sera appréciée à sa juste valeur par l'opinion publique burkinabé, mais qu'ils aient tous à l'esprit, aussi bien les gouvernants que le peuple, que vraiment vouloir s'attarder sur cette demande de pardon, la démarche, le fond, la forme. Moi, je pense que cela doit être relégué au second plan. Le DG l'a si bien dit, la demande mhm. de pardon ne pourrait pas le dédouaner de son de, la procédure judiciaire, notamment mhm. sa condamnation par contumace en cours mhm. en ce moment. Donc vraiment, ils ont beaucoup plus à tabler sur les enjeux de sécurité auxquels ils font face en ce moment que de vouloir s'attarder ou bien euh, s'apaisantir beaucoup plus sur la démarche de sa demande de pardon. Nissa, quelles pourraient être euh, les conséquences euh, de ce message à travers lequel Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara et à tout le peuple burkinabé pour euh, ses ces 27 ans de magistère, pour tous ceux qui ont eu à endurer des choses. Est-ce qu'on pourrait parler de conséquences euh, que pourrait Lui avoir Il n'a pas honte. Hmm. Il n'a vraiment pas honte. tu assassines ton frère. Il a dit mon frère. De, sang, de sang-froid, tu l'assassines. Tu y vas, tu l'enterres. Comme ça, parce que tout simplement, il avait sa vision on te manipule. Parce que Sankara était visionnaire. Sankara était mondialiste avant la lettre. Il était visionnaire. Il avait dit il faut décrocher avec l'Occident. On te manipule pour que tu le tues, parce que tu as besoin de pouvoir. Tu la tues froidement. Tu trônes royalement pendant 27 ans. Ce monsieur-là. le pouvoir est éphémère. Hmm. Aujourd'hui, parce que la nostalgie du pays t'a pris, comme ça, tu te lèves pour dire Je demande pardon. Pardon par rapport à quoi Les proches, les familles, les avocats, les proches parents de Sankara, ils vont batailler pendant 27 ans pour avoir un jugement de l'affaire. On vient, on l'affaire, on te condamne à perpétuité. Tu n'as même pas fait un jour de prison, tu sors pour demander pardon. Parce que tu vas attendre le club des Burkinabés. Non. Il se fout des Burkinabés. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour lui de demander pardon avant de mourir Parce qu'au moins, on sent que le pardon est accepté par certains, même si ce n'est pas par moi, tout le monde. Moi, tu sais, l'affaire en Afrique, là, mhm. c'est ça notre état. Le gars, il commet n'importe quel type de bêtise, de crime et tout et tout. À la dernière minute, je sors pour dire, je demande pardon. Mhm. Et les gens sont là. Au nom de quelle réconciliation Il n'y a donc pas de poète. La réconciliation, ça n'a pas sa raison d'être. La personne doit répondre de ses actes. C'est ça, mhm. la pédagogie. Quelqu'un qui va arriver, il ne va pas faire la même chose. Chez chacun, parce que j'ai fait des actes graves, après j'ai fui, je vais, je, je m'installe quelque part, après je demande, je demande pardon. Il y a combien de gens qui sont dans les prisons là si c'est que le pardon qui peut, on va mettre tout le monde dehors. N'est-ce pas On va les mettre dehors. Parce que je suis allé voler un morceau de pain, on m'a mis en prison. Je demande où j'ai pu fuir. Je, je demande pardon. Merci. Alors, tant qu'à faire, on met tout le monde dehors. Ce n'est pas suffisant. Tout le monde, on met tout le monde dehors. le nombre de... Non, mais Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui Il n'a rien à faire. Il doit venir purger sa peine Merci beaucoup. Il n'y a pas de... quelle analyse vous suscite l'implication d'Abidjan dans ce processus de réconciliation euh, au Burkina Faso. pas avec la complicité d'Abidjan là qu'ils ont assassiné euh, Sankara. Cela, en tout cas l'émissaire euh, qui est venu, Ali Koulibaly, l'émissaire donc euh, d'Alassane Draman Ouattara, c'est pas humanisme que euh, Blaise Compaoré a été donc gardé en Côte d'Ivoire. Mais attends, mais, hum. mais, qui tire les ficelles hum. Dès au début dans cette affaire-là de réconciliation nationale, de quoi quoi, mais qui tire les ficelles C'est bien sûr le président ivoirien. Le président ivoirien est derrière cette situation. Le fait même que. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il tire les ficelles. je dis qu'il tire les ficelles, puisque, mhm. en fait, tout ce qui vient, tout ce que lui, il est en train d'entreprendre aujourd'hui, mhm. l'ancien, l'ex-président Blaise, là, mhm. ça, vient de, de l'Ivoirien, ça vient de. Alassane Ouattara. Puisqu'il est là-bas. Il ne fait que le conseiller. Mais est-ce qu'il le conseille en bien puisque, puisque ce que je suis en train de dire, quand il était parti là-bas pour la réconciliation nationale, pour voir la gente, il y a eu des négociations. Il y a eu des pourparlers que les autres ne savent pas, que nous autres, nous, nous avons vu seulement des délégations là-bas, mais le contenu même, il y a certaines choses qui étaient cachées. Maintenant, on fait venir le conseiller spécial du président ivoirien. Alassane Ouattara, son conseiller donc qui est allé oui, Koulibaly. Oui. Mhm avec euh, le message, de Blaise Compaoré, accompagné, de la fille, sa fille de, Blaise Compaoré. Mhm. Et on vient tout bonnement, on dit voilà, c'est une note, euh, un message qui demande pardon au peuple euh, burkinabé. Mhm. Mais ce n'est pas seulement le peuple burkinabé, c'est là où ils se sont trompés. Aujourd'hui, ça concerne toute l'Afrique. Thomas Sankara, Norbert Zongo, ça concerne toute l'Afrique. Mhm. Toute l'Afrique avait bataillé pour que justice soit fait autour donc de ces crimes là Il a avoué du moment où il a demandé pardon. Dans ce cas, si aujourd'hui un président se hasarde à, dans son mandat, à tuer des gens, des pauvres innocents, et venir un bon matin, parce que tout simplement on parle qu'il il est au stade final ou quoi là, une maladie, qu'il est au stade final, donc il faut chercher le pardon le fait qu'il envoie sa fille, ça ne vous dit rien Non, moi, ça, me, moi, ça ne me fait pas de compassion. Mm-hmm. en, tant que femme, ça ne me fait pas de compassion. Mm-hmm. mais oui. Il doit venir répondre mais oui, parce que quand, il faisait, Non, quand il mm-hmm. faisait ses actes suicidaires, est-ce qu'il a pensé à la femme de Thomas Sankara Est-ce qu'il a pensé aux enfants de Thomas Sankara Est-ce qu'il a pensé à la mère qui a mis au monde son enfant Il n'a pas pensé à tout ça. Il n'a qu'à venir corriger sa peine une délégation donc euh, composée notamment de l'émissaire euh, du président ivoirien Alassane Draman Ouattara Ali Koulibaly <laughs> et de sa fille et le message il faut le rappeler a été lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé mhm. s'il te plaît, Il n'a pas fini de solder ses comptes avec même le Mali, avec les gens qu'il a, ils ont dû envoyer là-bas pour vouloir déstabiliser laisse tomber. Laisse tomber. Ça, c'est notre débat. On tourne donc euh, <laughs> la page pour passer à autre chose. Abordons enfin la dernière partie du forum de la presse euh, de ce soir. Il s'agit de cette euh, nouvelle tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique. Trois pays sont concernés, à savoir le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Ousmane Sidikou, que faut-il comprendre de cette nouvelle tournée du président français Emmanuel Macron, il faut dire que c'est sa première euh, tournée depuis sa réélection en avril dernier. Ouais, c'est peut-être pour beaucoup d'analystes une façon de contrecarrer en ce moment l'offensive russe mhm. sur le continent. Donc, euh, ils se sentent menacés, ils sont plus en posture de l'élève et le maître. Moi, je pense que euh, l'ère est révolue où euh, il doit dicter des choses à travers euh, les dirigeants africains. Aujourd'hui, la Russie a bel et bien démontré que la diversification des partenaires est euh, une réalité et les Africains vraiment semblent couper le cordon ombilical de la colonisation, les liens à la mer, à la, à la mer colonial qu'est la France. pour, vous, Macron est allé défendre les bah, intérêts de la France. Macron, c'est pour défendre les intérêts menacés de la France. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont dit de but en blanc leur volonté, ils ont affiché leur volonté de beaucoup plus coopérer avec la Russie euh, que, la France. Mm-hmm. Parce que pour beaucoup, après tant d'années de, coopération avec la France, euh, euh, ils ne voient pas en tout cas les portées. Vraiment, ce n'est plus la coopération gagnant-gagnant. Mm. Euh, donc, euh, raison pour eux de tourner leur regard ailleurs pour que cette diversification des partenaires puisse leur profiter à eux et à leur peuple. Parce que, à l'épreuve des faits avec la France, ce n'est nullement pas le cas. Mm. Donc, vraiment, libre à eux maintenant de tourner le regard ailleurs, notamment la Russie, hmm. qui en ce moment est en train de vraiment menacer, pour ne pas dire damer le pion à, hmm. la France euh, au niveau de certains pays africains, notamment en termes de coopération militaire, coopération bilatérale et multilatérale. Hmm. Donc, pour preuve, voilà, vu l'accueil réservé au ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï donc à travers un certain nombre de pays et les louanges fait à son égard euh, via son pays. Donc vraiment, c'est de bonne guerre que le président Macron effectue cette euh, tournée. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié vraiment l'attitude du président béninois qu'il a envoyé de ses ministres pour l'accueillir. Donc vraiment, c'est une prise de conscience. Il faudrait que euh, les dirigeants se mettent en tête que vraiment la France doit traiter d'égal en égal avec eux un de leurs présidents l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts à défendre, mm-hmm. et eh bien naturellement, les pays africains aussi n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts à défendre. Donc moi je pense que cette tournée Prions que cela leur serve à revoir leur copie euh, pour désormais traiter d'égal à égal avec euh, les pays euh, africains. C'est vrai, l'accueil à l'aéroport, dans certains pays, on constate de plus en plus que le président n'y va pas. On a constaté avec l'actuel président, Bazou Mohamed, qu'il y a des déplacements qu'il ne fait pas à l'aéroport, mais il reçoit la personnalité au palais de la présidence. Naturellement. Merci beaucoup. Hussein Issa, quel enjeu par rapport à cette visite Il a parlé des intérêts français alors que lui-même, Emmanuel Macron, il a beaucoup plus parlé de la crise en Ukraine, de la question alimentaire dans la zone Afrique, les appuis attendus et que c'est pour aider l'Afrique. S'il te plaît, je te pose la question. Est-ce que tu manques de maïs est-ce que tu manques de mille mhm. De riz, ça vient de Thaïlande, de, un peu partout. Le blé, ils mangent le pain dans toutes choses sur le pain. C'est eux qui sont affamés. Ici, on fait mettre ce discours-là dans la bouche de nos dirigeants. Non. Ils ont bloqué, machin. Tu, peux me dire le pourcentage de Nigériens qui mangent le pain mm. ou les gâteaux. Parce que ça, c'est encore un luxe on considère que le. Bon, eh bien, j'ai entendu les mots durs qu'il a eu vis-à-vis de la Russie, que c'est un impérialisme. Ils sont en train, dans une logique impérialiste, machin, colonne. Mais non, mais ce monsieur-là. Allez, c'est une façon de dire, il faut contrecarrer, comme l'a dit Sidikou, les velléités russes, parce que de plus en plus, les gens, parce qu'il a dit clairement, faites attention avec les Russes. Ils sont dangereux. Il ne sait pas qu'il vous aime. Les discours qu'il tient, ce n'est pas parce qu'il vous aime. Mais eh, est-ce qu'il nous aime Vous venez, vous prenez nos ressources. Vous nous donnez des miettes. Vous dites aide budgétaire. Nissa, au Cameroun, par exemple, on a vu Macron rencontrer Paul Biya, qui a environ, il faut le rappeler, 89 ans, 40 ans au pouvoir. Pourquoi il a anesthésié son peuple. Parce qu'il ne peut même pas parler. Au Bénin, certains ont ah, dénoncé des arrestations on pensait que Emmanuel Macron allait aborder tout ça. Pourquoi ça n'a pas, été à l'ordre du jour C'est pas son affaire. Mhm. Est-ce que c'est son affaire, ça il est venu parce qu'il sent que de plus en plus, il y a une influence russe en Afrique. Mhm. Il fallait contrecarrer, et voilà les pays où ça se manifeste de manière de plus en plus vigoureuse. Il faut aller dans ces pays-là pour dire faites attention aux Russes, ils sont dangereux. Il ne faut pas les accepter. Hein. Ils sont pires que nous. Ça n'a pas ah, été ah. dit officiellement, puisqu'il y a eu des conférences de presse. <laughs> on ne sait pas dans son discours. <laughs> C'est ça, moi, le sentiment que j'ai eu. Faites attention, ils sont en train de vouloir. Ça veut dire pendant les huis clos, c'est pendant les huis clos qu'on se dit tout ça. Aujourd'hui, pourquoi ils vont venir en Afrique pour parler de leurs problèmes là-bas Maïmoun Diado, pour terminer, euh, qu'est-ce que les pays africains doivent attendre de euh, Macron, le nouveau mhm. Macron. Mhm. Sincèrement, honnêtement, moi je vois pas. Mais il y a des attentes, par exemple, la question de la restitution des œuvres d'art. On en a parlé au Niger, mais, au Bénin, ça fait l'actualité. est que c'est les euh, œuvres d'art là que nous, nous là ici au Niger, par exemple, nous on est en train de manger. Mhm. Aujourd'hui, en fait, il, est, il, est, il, est, en mission parce que tout simplement la mission qu'il a confiée à la diplomatie française, les diplomaties françaises dans ces pays-là, mhm. parce que parce qu'il attendait un retour. Les pays où il n'a pas mis pied, ça veut dire que la diplomatie a joué son rôle. Il y a eu un écho favorable. Maintenant, dans les pays là où il est en train de sillonner, ça veut dire que la diplomatie ne peut pas maîtriser et faire un changement en toilettage de, de cerveau à ces populations-là. Donc, il faut que lui-même, il se rende sur place pour menacer directement ces dirigeants-là. Parce qu'il a des intérêts Cameroun, s'il n'a pas d'intérêt, il n'ira pas là-bas. La France a exprimé, par exemple, qu'elle est prête par rapport à la coopération avec le Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous pensez que tout ça, là, c'est dans... contre le terrorisme, là, depuis quand est-ce qu'il ne fait que parler de la coopération de la France contre la lutte contre le terrorisme Mais est-ce que c'est en train de diminuer Ça ne fait qu'avancer. Et puis quand tu parles de Paul Biya ou Paul Biya, non mais Paul Biya, il roule pour qui Pour la France est-ce que tu as vu quelque chose où Paul Biya est inquiété de par sa population Non. Ce sont des gens qui sont là en train de piller. Ils ont laissé l'ouverture à la France, en train de piller comme ils veulent. L'essentiel, laisse-moi à ma place. Mhm. C'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup, on vous a compris. <laughs> Merci, chers auditeurs. Nous sommes au terme du forum de la presse euh, de ce soir. Nous disons merci à nos trois invités. Ils sont tous euh, des journalistes indépendants. Il s'agit de Ousmane euh, Sidikou, Husseini Issa et Maimouna Diado. Merci aussi à tous les auditeurs et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions qui diffusent euh, les programmes de Studio Kalango à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Déji, L'équipe technique composée de Amina Hassan et Laolissa. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.